le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio 18 heures passées de 15 minutes à Niamey. Messieurs, dames, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou à la présentation Reila Tsoumana. Le Forum du Studio Kalangu est un espace d'échange avec des invités dans le respect mutuel. Dans le cadre du forum, nous faisons appel à des spécialistes ou des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Notre programme est relayé grâce au réseau des 31 radios partenaires basées dans tous les chefs-lieux de région et plusieurs localités du Niger. La thématique d'aujourd'hui est consacrée au commerce sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Facebook est l'un des réseaux sociaux le plus utilisés au monde et L'avènement de celui-ci a fait du social shopping l'une des grandes tendances de l'e-commerce au Niger. Alors, comment ce commerce est-il pratiqué au Niger Quels sont les avantages et les inconvénients du commerce sur Facebook Ce genre de commerce est-il sécurisé Existe-t-il des textes pour réglementer Facebook dans notre pays quel impact pourrait avoir ce type de commerce sur le traditionnel marché Nos invités ici présents vont tenter de répondre à toutes ces interrogations. Il s'agit de Seydou Arji, consultant en communication et gouvernance. Bonsoir. Bonsoir. Fatih Ali, commerçante et administratrice de pages commerciales sur Facebook et WhatsApp. Bonsoir. Bonsoir. Et Adama Zurkaleini, cliente et utilisatrice Facebook et WhatsApp. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, dames, euh, bonsoir. Euh, comme annoncé, ce soir, euh, nous parlerons de cette tendance du moment au Niger, notamment l'utilisation de Facebook comme plateforme de commerce. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander à chacun de nous faire une brève présentation de ce qu'il représente ici ce soir. Madame, à vous. Je suis Adam Je suis administratrice et en même temps cliente d'une page euh, Facebook euh, et WhatsApp aussi, qu'on appelle Classy Woman. Bon, aujourd'hui, j'interviens beaucoup plus en témoin qu'en client. D'accord, merci. Mm. À vous, madame. Merci pour l'opportunité d'expression que vous nous offrez pour nous permettre de nous exprimer par rapport à ce commerce euh, virtuel. Moi, je suis Fatmata Ali, comme vous venez de l'annoncer. Je suis intervenante sur Facebook et WhatsApp en tant que vendeuse et cliente, parce qu'on joue presque les deux rôles. Merci à vous, monsieur. Oui, bonsoir. Moi, je suis Cédou Je suis d'abord utilisateur des réseaux sociaux, mais aussi un observateur de la pratique de la communication sur ces réseaux. Merci. Merci à vous. Donc, euh, en 2016, l'Afrique compte environ 349 millions d'utilisateurs Internet. Et selon un cabinet tunisien spécialisé dans l'ingénierie informatique et le web service, Parmi ces internautes africains, plus de 146 millions sont des utilisateurs Facebook. Pour l'instant, nous ne disposons pas encore euh, des chiffres du Niger. Donc, euh, Monsieur Arji, est-ce que vous pouvez nous dire quelle était l'utilisation première de Facebook Merci. Avant de parler de l'utilisation, je dois déplorer un vide, à savoir l'absence de statistiques crédibles ou précises sur l'utilisation des réseaux sociaux, notamment Facebook euh, et WhatsApp qui sont les plus répandus. Néanmoins, il faut dire que dans un pays comme le Niger, l'utilisation des réseaux sociaux a connu une explosion, je dirais, ces dernières années, parce que ça va au-delà des clivages linguistiques, même les personnes qui n'ont pas été à l'école recourent à ces réseaux. Donc c'est une utilisation quotidienne qui se fait sans barrière, sans catégorie sociale, euh, sans distinction entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Il faut dire que, du point de vue de l'évolution, les gens ont commencé à utiliser Facebook pour euh, socialiser. Socialiser, je veux dire, c'est des amis tout simplement. C'est des amis, on se donne euh, des nouvelles, on partage quelques contenus, on se donne des nouvelles. Mais il y a l'évolution aussi qui fait en sorte que les gens ont compris que Facebook n'est pas là seulement pour la socialisation entre griffes, mais qu'il peut être un outil d'affaires à travers notamment les e-commerce ou les e-business, où vous avez euh, Facebook comme outil d'intermédiation qui met en rapport les vendeurs et les acheteurs, qui relie l'offre et la demande dans des secteurs bien précis. Donc ça, c'est une évolution. Et je pense que nous allons voir le contour au cours de ce débat avec bon, les opportunités, mais aussi les risques que cela peut Exactement. Voilà, donc euh, Madame Fatih, euh, depuis combien de temps utilisez-vous Facebook Donc personnellement, ça fait à peu près trois ans que moi j'ai commencé à utiliser Facebook. Oui. Donc au début, c'était juste euh, en tant que simple admiratrice. Et après, je me suis lancée sur cette page en tant que vendeuse. D'accord. Donc, euh, Adama, vous, quand avez-vous commencé à utiliser Facebook <laughs> Je ne sais pas si vous comptez les années, je ne sais plus, mais je sais que c'est au-delà de 4 ans. Donc, ça fait longtemps que j'utilise Facebook. D'accord. Donc, Monsieur Arji, euh, il y a aussi un autre réseau social euh, qui fait fureur à Niamey. Il s'agit de WhatsApp. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelle est la différence entre ces deux plateformes WhatsApp connaît beaucoup d'ampleur et de succès. À mon avis, c'est lié au fait qu'en plus des images et des signes, donc les lettres, WhatsApp permet surtout l'aspect vocal. Aujourd'hui, les enfants beaucoup de vocales au niveau de WhatsApp. Ils enregistrent des messages qu'ils partagent entre deux ou par un groupe, mais aussi la facilité, je dirais, de l'appropriation de WhatsApp est plus facile que Facebook. Il y a aussi le fait que on peut rapidement partager. Bref, il a une interface, je dirais, plus conviviale et plus simple. Et le fait que les gens puissent enregistrer des paroles leur permet de travailler dans leur langue. C'est accessible à tout le monde. C'est euh, accessible à tout le monde sans exclusif. Contrairement à Facebook, même s'il y a une version À ça, il faut dire qu'il faut toujours être lettré. Mais avec WhatsApp, c'est la parole. Mais on peut envoyer des vocales avec Facebook. Oui, avec Messenger et autres, vous savez, chacun de ces outils a ce qu'on appelle des applications internes. Mais les applications internes de WhatsApp aujourd'hui, elles sont plus hésitées. Quand vous allez voir aujourd'hui, les partages d'éléments vocaux, et même pour revenir à notre euh, débat, vous allez voir aujourd'hui beaucoup de produits, vous les trouvez plus... Euh, les réclames sur WhatsApp que sur euh, Facebook. Bon, c'est aussi une question de spécialisation et de niveau d'utilisation. Quand vous partez dans Facebook, la page, elle est professionnelle. Elle est différente d'un compte personnel. Parce que c'est ce que les gens ont tendance à confondre. Si je fais, je crée un compte Facebook, pour moi c'est l'ORJ, c'est un compte. Par contre, Lorsque j'ai fait une page pour une entreprise ou une boutique, c'est différent, y compris les modes d'administration et les modes de possibilités, mais aussi le monitoring pour savoir quel est le nombre de visiteurs et ainsi de suite. Oui, mais quand vous créez la page, comment est-ce que les, gens y accèdent Facebook, c'est public, mais lorsque vous faites une page, là je parle d'une page professionnelle, mhm vous avez la possibilité d'inviter beaucoup de gens à adhérer. Vous avez vous-même, vous pouvez cibler des gens, parce qu'il y a plusieurs modes de diffusion. Vous pouvez faire le tout public, là où c'est accessible à tout le monde. Vous pouvez cibler, comme vous êtes en matière de commerce, certaines personnes, mais aussi la technique la plus facile, lorsque vous créez la page, c'est d'inviter les gens à l'aimer. Et là, vous allez voir un certain nombre de personnes auxquelles vous avez envoyé des invitations répondre positivement. C'est comme ça que vous faites un peu l'exploration. il y a beaucoup d'autres techniques d'exploration que nous ne pouvons pas utiliser, mais la plus simple, c'est d'inviter les gens en fonction aussi de votre intérêt. D'accord. Donc, euh, Madame Fatih, euh, depuis combien de temps vous avez commencé euh, le commerce sur Facebook Qu'est-ce qui vous a plus poussé à, utiliser cette interface ah, Le commerce sur Facebook, je l'ai commencé presque en même temps quand j'avais créé ma propre page commerciale. Donc, j'ai mon propre groupe sur Facebook. Alors, donc, ce qui m'a attiré vers les réseaux sociaux, la vente sociale, et du moins sur les réseaux sociaux, c'est surtout la simplicité. Parce qu'avant, je faisais du commerce euh, traditionnel, ordinaire, comme ce qu'on voit au marché. Tu avais une boutique donc, euh, Non, non, non, non. Comme je suis fonctionnaire, donc je prends mes affaires, je les tremble dans mon véhicule, oui, dans les quartiers, etc. Donc avec euh, les réseaux sociaux, j'ai trouvé que le commerce est plus simple parce que c'est facile d'exposer, de négocier et d'arriver même à vendre un article plus rapidement. Donc vraiment dans le temps et même dans l'espace. Vraiment en un temps record, on peut facilement conclure des affaires qu'on ne pouvait pas faire en moins de deux mois dans le commerce ordinaire. Donc c'est surtout cette simplicité et le tout à partir d'un portable téléphone, sans même bouger de chez soi. Moi, c'est surtout l'aspect là qui m'a motivé, qui m'a attiré vers euh, cette vente en ligne. D'accord. Et vous, Adama quelle est votre expérience depuis quand vous avez commencé et qu'est-ce qui vous a plus poussé à aller vers ces réseaux sociaux J'ai commencé il y a de cela deux ans. Bon, pour moi, c'était beaucoup plus nécessaire parce qu'on était trois. Il y a euh, une de mes amies qui est à Cotonou et une autre qui est à Lumi. Donc, euh, c'est celle de Cotonou qui a beaucoup plus commencé. Au début, elle a envoyé des pagnes à vendre, des pagnes, des bijoux. Donc à un certain moment, elle avait du mal à trouver quelqu'un de fiable qui pouvait lui gérer le business ici. Donc euh, je me suis proposée à l'aider parce que j'avais j'étais un, moment, un temps mort où je ne travaillais pas. Donc euh, je commençais à travailler avec elle. Donc comme ça, elle m'envoyait les pagnes, les bijoux. Et les clientes, euh, déjà, elle avait créé le groupe classe humaine. Mhm. Donc euh, déjà là-bas, il y avait l'interférence. Les clientes commandaient, elles envoyaient les commandes, elles récupéraient avec moi, elles me donnaient l'argent et moi je lui envoyais l'argent. Ça veut dire que euh, vous êtes euh, une sorte d'intermédiaire. Exactement. Exactement. Donc, à un certain moment aussi, donc une autre amie s'est ajoutée qui était à Lomé. Elle, faisait beaucoup plus les sacs et chaussures. Donc, c'était devenu un truc global. Donc, elle, elle fait les sacs, chaussures, tout ce qui est habits d'enfants et autres. Et celle-là, elle fait les bijoux, les pagnes, et puis euh, les draps aussi, les tissus, tout ce qui peut vraiment contribuer à une femme d'être classe, comme on dit. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, et puis au fur euh, et à mesure, euh, c'est devenu grand, et on était presque un peu connus un peu partout les femmes commandaient, elles venaient. Comment ça se fait la commande une fois que la personne a vu euh, l'article euh, sur euh, Facebook Comment la procédure Sur Facebook, chaque semaine, on publie les articles disponibles. Donc, déjà, on, avait nos amis, on ajoutait nos amis au groupe, et au fur et à mesure, nos amis ajoutaient leurs amis. Et ainsi, il y avait des ajouts au fur et à mesure. Donc après, euh, quand euh, la personne choisit l'article, elle contacte euh, une d'entre nous, une box. Donc elle nous dit voilà, elle a vu tel article, elle est intéressée, le prix, on lui donne le prix, elle dit bon voilà, elle lance la commande et celle qui est de l'autre côté envoie la commande par les bus ou ça dépend, mais la plupart du temps on utilise les bus. Donc une fois ici, moi je récupère et puis je livre à la personne et je récupère l'argent. Après, Vous livrez euh, sur place chez la personne Oui, oui. Au début, on livrait vraiment parce que j'avais du temps. Donc, je livrais. Donc, souvent, il y avait des frais de livraison. Souvent aussi, euh, on le faisait gratuitement. Donc, euh, je livrais, je récupère l'argent et après, je lui renvoie par les agences de transfert d'argent. Et c'est ainsi qu'on faisait le business et ça, ça marchait très bien. Ok, d'accord. Donc, euh, Monsieur Arji, que pensez-vous du commerce sur ces réseaux sociaux-là euh, Je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça joue, les réseaux sociaux jouent une véritable euh, fonction d'intermédiation en mettant en relation les vendeurs et les acheteurs. Ça a un avantage en ce sens que vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour faire une commande ou pour rechercher un produit. On gagne du temps. On gagne du temps parce qu'il y a des moments où vous allez voir sur Facebook ou WhatsApp des produits que vous ne pensez pas être disponibles à Niamey ou qu'on ne peut pas vous livrer facilement. Donc ça, un avantage certain. On gagne de temps pour l'acheteur, un gain de temps pour les vendeurs. Comme Madame l'avait dit, ce qu'elle pouvait réaliser en un mois aujourd'hui, elle les réalise de façon très rapide et vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous n'avez pas besoin aussi de perdre beaucoup de temps pour des questions de recouvrement et autres. Quand on fait la comparaison avec le commerce qui qui fait dans les services publics, vous perdez votre temps de bureau en bureau pour présenter vos produits ou pour euh, récupérer les frais de vente. Mhm. C'est une très bonne chose, c'est indéniable, mais je pense que il y a une évolution qui manque et ça c'est peut-être à l'échelle du pays. C'est peut-être les moins de paiement qui sont toujours, <laughs> à mon avis, relatif à l'ancienne forme du commerce, pour ne pas dire rudimentaire. Voilà. Donc, euh, sur euh, ces réseaux sociaux, on constate qu'il y a des pages euh, qu'une personne a créées, mais dedans, on voit aussi d'autres personnes poster des, des produits. Comment ça se fait Est-ce que c'est un peu la concurrence ou qu'est-ce que c'est Non, on ne peut pas poster sur la même page. Quand on parle de pages commerciales, donc professionnelles, vous avez celui qu'on appelle l'administrateur. Mhm. Et vous devez avoir un éditeur. Même lorsque Même lorsqu'un éditeur écrit un article ou propose une marchandise, le contenu ne sera apparent au public que lorsque l'administrateur aura validé. Donc il n'est pas possible que quelqu'un puisse poster sur votre page. Mais il peut faire une page similaire ça, ça existe, on ne peut pas l'en empêcher. C'est de la coïncidence. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les réseaux sociaux ne sont pas aussi légers, diabolisés ou même vulnérables. Il y a la question de la cybersécurité qui se pose. Mais quand même, lorsque vous êtes euh, administrateur d'une page, il y a des méthodes il y a des principes très basiques de sécurité que vous, pouvez adopter. Et là, vraiment, il serait difficile à quelqu'un de rentrer sur votre page, de vous faire du piratage ou simplement de dénaturer vos produits. En fait, c'est même ça, c'est ce spectre qui fait en sorte que beaucoup de personnes mhm. ont des doutes ou des craintes par rapport à l'utilisation de Facebook. Mais on essaie toujours de rassurer les gens lorsque vous utilisez le protocole, vous avez quand même un minimum de sécurité. Donc, euh, Madame Fatih, euh, comment est-ce que vous arrivez à gérer votre page euh, jusque, vu que vous êtes fonctionnaire aussi Bon, moi je trouve que vaut mieux vendre sur Facebook que WhatsApp. Parce que Facebook est un réseau qui est plus sécurisé pour nous les vendeurs, contrairement à WhatsApp. Parce que Facebook, comme il vient de le dire, il y a des options qui permettent de contrôler ce qu'on va publier sur votre groupe. Moi, par exemple, j'ai ma propre page commerciale qui est Maïda Bill Shop, donc Maïda Shopping sur Facebook. Donc, personne ne peut publier quelque chose sans mon aval. Il faut que je valide la publication d'abord. Donc, quand la personne envoie ses publications, je vérifie voir s'il n'y a rien d'illicite dedans. Là, je les laisse passer. S'il y a quelque chose qui ne me convient pas, que je ne voudrais pas retrouver sur ma page, là, je supprime. Ou bien, par exemple, si la personne a oublié de mettre un prix ou bien de décrire l'article, là, je supprime karma la publication et je me réfère à la personne et à Messenger pour lui demander de republier ses articles parce qu'il y a tel ou tel problème. Donc là, le contrôle est plus efficace, donc c'est plus sécurisé. Contrairement à WhatsApp. WhatsApp, quand vous créez le groupe, vous ne savez pas exactement ce que la personne va publier. Donc vous l'avez autorisé à être dans le groupe et elle peut publier des objets qui ne vont pas vous plaire, des articles qui n'ont rien à voir avec le groupe ou bien des partages qui n'ont rien à voir avec le groupe. Donc là, avec WhatsApp, vous voyez en même temps que les autres membres du groupe. Quand oui, c'est instantané. Tout, tout, de suite, vous envoyez l'article, même si c'est quelque chose qui, qui, est déplaisant, qui ne devrait pas figurer sur, sur votre page WhatsApp. Tout le monde va voir ça. Et le problème, même si vous supprimez, c'est déjà passé. Les gens ont déjà vu. On a eu pas mal de cas comme ça et on ne pouvait que réprimander ou punir les gens juste en les retirant du groupe. Mais le mal est déjà fait, contrairement à, Facebook où là vous êtes maître de votre site. Est-ce que vous êtes euh, la seule administratrice de, la page vous avez de l'aide Facebook, je suis la seule administratrice. Tout ce qui passe n'engage que moi, personnellement. Contrairement à WhatsApp où j'ai un groupe presque de famille, <laughs> j'ai des soeurs dedans, j'ai des amis qui sont co-administratrices. Donc, on gère le groupe comme ça. Donc, j'ai deux groupes, à savoir euh, Maïda Big Shop et Askia Mohamed Big Shop. Donc, c'est deux groupes parce que vous savez, sur euh, WhatsApp, euh, le nombre des adhérents sont limités. On ne ah, dépasse pas 256. Donc, quand le groupe arrive au nombre de 256, vous êtes obligé de créer un groupe si toutefois vous voulez garder bon, le contact avec euh, les nouveaux clients. quoi. Avez-vous atteint ce quota-là Oui. Vous avez... Ma, Maïda Big Shop euh, a vraiment atteint le top depuis longtemps. Il y a même des listes d'attente. D'accord. donc maintenant, on est sur Askia Business. Oui, et là aussi, ça avoisine les 230, c'est même presque plein. Merci, madame. Donc, euh, Adama, à vous, euh, vu que vous utilisez ces réseaux sociaux, est-ce que cela a changé en quelque sorte euh, dans, dans votre vie, dans vos revenus, comme vous êtes aussi commerçante ou pas <laughs> Oui, commerçante en partie, comme on dit. Donc, <laughs> disons que ce travail à un certain moment de ma vie m'a beaucoup aidé. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis retrouvée à un moment où j'étais obligée d'arrêter de travailler pour retourner à l'école. Et il fallait bien avoir euh, quelques revenus. Donc, euh, et après mes heures de cours, donc, euh, je cumulais tout le reste de mes heures sur business. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé à faire face à mes dépenses, à faire face à mes frais même de scolarité et autres. C'est comme si j'étais commerçante sans pour autant être vraiment commerçante. Parce que tout, tout était dans mon véhicule et puis je, je traînais tout avec moi. Tu m'appelles, tu as besoin de quelque chose. Je dis oui, j'en ai dans mon véhicule, t'es où Je te retrouve à ton bureau, je te propose, tu achètes, tu me donnes mon argent, je suis partie. Donc c'est comme si j'étais pas obligée vraiment d'être sur place pour être vraiment commerçante. Donc ça, ça marchait très bien. Et même aujourd'hui, je travaille, c'est vrai, mais quand j'ai un peu de temps, je fais ce travail-là. Mais le plan qu'on a trouvé pour beaucoup plus alléger, c'est que euh, nous, notre chance sur euh, Woman, on n'a pas de concurrent. On gère, euh, d'autres euh, n'ont pas le droit de publier sur notre page. Ah. C'est uniquement nos articles qui passent sur la page. Donc, même quand il y a des commandes, ce qu'on fait, la personne envoie l'argent dans une agence et quand on a la confirmation, on lui envoie directement son colis dans les agences de voyage là et la personne part récupérer directement. C'est Ce qui fait que je ne suis même pas obligée de partir. L'argent est cumulé au niveau de, de l'agence euh, de transfert mhm. et quand je pars, je récupère seulement, je fais l'état et puis je lui renvoie et puis je garde pour moi. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire le business. Donc, ce qui fait que je n'ai même plus besoin encore de me déplacer. Je reste dans mon bureau, je fais mon travail. Vous avez une commission Exactement. Voilà. Exactement. Ok. Mm. Donc, euh, Monsieur Argy, euh, vu cette façon de faire euh, le commerce, est-ce que le marché traditionnel, grand marché, petit marché, est-ce que ça a dû, comment dire, une inquiétude à se faire par rapport à cela Non, je pense pas. Je pense pas en ce sens que vous avez plusieurs catégories de clients. Il y a des clients qui aiment se déplacer, aller au marché, marchander, voir la marchandise, la toucher c'est peut-être une dimension culturelle. Puisque chez nous, les gens aiment marchander, aiment aller au marché parfois. Pour certains, c'est une partie de loisirs. Par contre, nous avons une frange de la population qui aujourd'hui se retrouverait plus dans le commerce électronique tel qu'on est en train de le décrire. Ils veulent une marchandise, ils l'ont vu sur le net, ils s'adressent à la personne, on leur livre ça, ils payent l'argent. Donc, nous ne sommes pas allés à un niveau où ces gardes de commerce peut impacter négativement le commerce traditionnel tel qu'il se fait. Pour moi, c'est une facilitation pour un groupe cible. Mais aussi, c'est une tendance positive en ce sens que lorsque vous prenez l'exemple des pays développés où le commerce en ligne a mhm. commencé, il facilite beaucoup de choses aux citoyens mais aussi il rend les marchandises plus accessibles en termes de prix. Parce qu'aujourd'hui, il est évident, quand vous êtes en France, c'est un exemple que je prends, lorsque vous commandez en ligne, c'est moins cher que lorsque vous partez dans un magasin. Il y a même des avantages, des fois, des cadeaux. Oui, parce que celui qui va en ligne n'a pas besoin de louer un magasin. Il n'a pas besoin de payer de, transfert. Il peut garder ses marchandises chez lui Lorsque vous commandez par un système sécurisé, il vous envoie cela par la poste ou par un, facteur. Parce qu'au moins, là, il un système qui est fluide. Donc, pour moi, c'est une innovation. il faut voir ça en termes de complémentarité pour la frange qui ne veut pas se déplacer ou qui a besoin rapidement de la marchandise. Parfois, comme je le disais, il y a des marchandises qu'on veut avoir, mais on n'est pas au courant qu'il existe. Mhm. On peut se promener dans Niamey sans savoir où ce qu'il existe. Mais à travers les réseaux sociaux, vous pouvez voir, par exemple, une réclame de la publicité sur tel ou tel arrivage. Et mieux, je vois parfois des magasins qui sont à Cotonou, qui sont à Ouagadougou, postés, en direction du Niger et dire leur contact, euh, je vois bien, que ça soit sur Facebook, sur WhatsApp. Donc il y a une certaine facilité qui est là. D'accord. Madame Fatih, donc euh, est-ce que euh, le commerce sur les réseaux sociaux a changé quelque chose en votre la notoriété de votre commerce Quel avantage avez-vous remarqué Avantage, vraiment, ce serait trop dire. Hein. Parce que actuellement, vu le contexte économique de ce pays, on peut dire que ce n'est pas aussi positif que ça. L'activité ne nourrit pas son nom. Vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes. La première contrainte, c'est le fait de vendre en cash. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de système de crédit. Et le Nigérien étant habitué à ce système de vente, prendre à crédit un mois, deux mois, chaque fois quand vous offrez les, articles, vous présentez les articles, c'est pour que les vendeuses vous retrouvent une box pour demander s'il y a des possibilités de crédit. Mais quelqu'un qu'on ne connaît pas. Justement, le problème est là. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on peut lui octroyer un crédit Et nous-mêmes, ce qui nous a même motivés et attirés par cette activité, c'est cette fuite de vente à crédit, parce que ça tue le marché. Si c'est pour vendre un article, avoir un bénéfice de 1000 francs après deux ou trois mois, voire même une année, c'est vraiment pas du tout encourageant. Alors, avec la vente en ligne, on vous paye immédiatement vos sous. Vous voyez ce qui fait que la plupart des temps, quand les gens se retrouvent sur nos groupes, c'est juste en tant que spectateur. Ils regardent, parfois, ils, ne téléchargent même pas les articles pour les voir et ils les suppriment. Est-ce que si vous faites une comparaison par rapport à avant Facebook et WhatsApp, euh, comment est-ce que vous comparez votre chiffre d'affaires Personnellement, hein, mon chiffre d'affaires était mieux quand j'étais dans le commerce traditionnel. Ça, il faut pas se le cacher. Parce que c'est ce que je dis. Les Nigériens ne veulent pas payer comptant. Certes, c'est facile de vendre un article sur un réseau social, mais combien d'articles dans le temps Vous pouvez vendre peut-être une tasse par mois. Ça, je vous le dis, il hein, n'y a rien à se cacher. Peut-être même faire deux mois sans avoir même euh, une recette de 100 000 francs. Vous voyez Alors que moi, dans le temps, vraiment, le commerce m'a porté beaucoup même quand vous commercialisez vos articles, il faut savoir à qui les donner en crédit. Il y a des gens, quand vous leur octroyez le crédit, à la fin du mois, ils sont réglés et vous payent. Par contre, il y a des gens, une fois, deux fois, ils vont essayer de, vous triander et puis vous couper avec eux. Donc, à la fin du mois, vous faites le tour, vous prenez vos sous et vous lancez vos commandes. Mais actuellement, là, c'est, la situation n'est pas du tout intéressante. Hein. <laughs> Ah oui. Ok, merci. Donc, euh, Adam, à vous. Donc, euh, sur votre page, une fois que l'acheteur euh, montre son vouloir euh, d'acheter, j'aime, il commente, est-ce que c'est toutes ces personnes-là qui commandent euh, réellement les articles Oui, toutes ces personnes commandent réellement. Mais le problème n'est que souvent, c'est une fois l'article sur place que la personne va commencer à créer des problèmes. La personne va te dire soit elle voudrait prendre l'article à crédit ou bien qu'elle n'a pas tout l'argent. C'est comme si la personne veut te forcer vraiment à prendre à crédit, malgré qu'elle sait que ce n'était pas à crédit. Ces derniers temps, c'est beaucoup plus le problème qu'on rencontre. Bon, c'est vrai, euh, il est clair que c'est un peu difficile. Mais moi, je me dis quelque part que quand on prend l'engagement de commander quelque chose, on doit vraiment être sûr d'avoir euh, l'argent. Donc la plupart du temps, c'est ça qui crée quelques confusions, quelques problèmes entre le client et puis donc souvent on se retrouve avec des commandes qui sont là non achetées, qu'on est souvent obligé même de retourner ou bien essayer de les republier pour que si d'autres personnes sont, intéressées, les rachètent. Monsieur Argy, euh, quel est votre avis par rapport à ce mode de paiement sur les réseaux sociaux Il est évident que quand on a créé Facebook, WhatsApp et autres, au début, c'était vraiment pour mettre les personnes en relation, c'était une socialisation. On a vu qu'il y a des possibilités de business. Donc pour moi, l'évolution, la tendance que je constate aujourd'hui, c'est une tendance qui me permet de dire qu'au Niger, les gens se sont appropriés les réseaux sociaux en utilisant leur génie, en l'adaptant à leur réalité et à leurs besoins. C'est ça la technologie. Quand on la crée, les gens font des usages multiples et l'adaptent au contexte. Tout comme en Somalie, c'est un exemple, les gens ont utilisé le téléphone pour pouvoir offrir des moutons, ceux qui sont aux États-Unis payent de l'argent et on livre des moutons à leurs parents qui sont en Somalie à l'occasion de la fête de Tabaski. Donc la technologie, pour moi, c'est un domaine ouvert. Il suffit de savoir l'utiliser pour la bonne cause. Je dis bien pour la bonne cause, parce que aujourd'hui, il y a ceux qui essayent de faire de la scroquerie, mhm. y compris en décourageant des dames comme celles qui sont avec moi, qui font du commerce honnêtement pour gagner leur vie. Il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour subtiliser l'argent, y compris dans les comptes ou pour recueillir les paiement et ne pas vous livrer la marchandise. Voilà, j'allais en venir des gens. Est-ce que des gens qui commandent et puis au moment de payer, euh, ils n'achètent pas vraiment, c'est pour euh, escroquer quoi. Est-ce que ça vous est arrivé vous C'est justement, ce sont des cas que nous rencontrons toujours. Actuellement, nous sommes même à la recherche <laughs> d'une dame qui nous a triandé là. Donc ça, c'est je juste passage pour vous dire que l'escroquerie, ça ne manque pas sur les réseaux sociaux. Surtout maintenant, la stratégie qu'elles ont trouvée, ces, ces bonnes dames-là, c'est de publier les articles d'autrui à bas prix pour attirer leurs victimes. Vous voyez Et qu'est-ce que ces dames font Elles vous envoient des liens dans le groupe. Et maintenant, comme des moutons de panurge, tous les membres du groupe vont suivre l'autre lien pour se retrouver dans le groupe. Et en fin de compte, on se retrouve avec des groupes semblables environ à 80%. Mhm. Les membres sont les mêmes, mais les vendeuses, les acheteuses, elles sont toutes les mêmes. Et comment est-ce qu'elles procèdent Sachant que vous, vous avez publié votre article dans le groupe X, vous ne figurez pas dans le groupe Y, mhm. alors que toutes les clientes sont les mêmes. Maintenant, elle va revenir dans l'autre groupe pour publier le même article que vous, vous avez eu à vendre de l'autre côté à 100 000 par exemple. Elle va publier ça moins cher à, à 40 000. Donc ça se trouve que le Nigérien étant toujours égal à lui-même, et trop la facilité, les gens vont dire Ah, mais l'autre vendeuse là, elle est hyper chère. Le même article. Parce qu'elles, elles sont dans les deux groupes, elles voient toutes les publications. Donc elles vont dire Ah, celle-là la mais à la limite même c'est une voleuse. Donc c'est un piège, elles, ne peuvent pas savoir. Elles vont donner leur argent et puis la personne va disparaître. Vous n'allez plus la revoir, même dans le groupe. Et parfois, elles donnent même des faux noms, mais avec le même numéro. Et nous, on ne sait même pas comment les retrouver. Actuellement, on cherche des solutions par rapport à ce problème. S'il faut aller, peut-être, je ne sais pas, vers les commissariats pour qu'ils nous donnent des autorisations pour chercher les pièces euh, vers euh, les réseaux téléphoniques ou comment. Le point suivant de ce forum. Voilà. C'est ça qu'on cherche. Euh, Adama, est-ce que vous avez eu des cas similaires, des problèmes avec des escrocs qui, qui font des trucs comme elle le dit hum, Bon, nous, personnellement, non parce que, euh, par exemple, de son côté, c'est beaucoup plus facile parce qu'elle gère plusieurs commerçantes en même temps. Mais chez nous, comme nous sommes trois, donc si c'est pas une, c'est l'autre. Donc, on est au moins sûr que c'est une d'entre nous qui doit gérer et on est toujours clair, tant que c'est pas une parmi nous, de ne vraiment pas accepter. Donc, et c'est comme ça qu'on gère. En tout cas, pour le moment, on n'a pas eu de problème avec euh, des truands et autres. D'accord. Monsieur Argy, euh, pour parler de sécurité sur ces réseaux sociaux, est-ce que vous pensez qu'un jour euh, le commerce sur ces réseaux va être plus euh, sécurisé Pour l'instant, je ne pourrais pas parler de sécurisation dans la mesure où le paiement est resté manuel. Donc c'est un paiement qui se fait en cash en utilisant le système de transfert je recommanderais plutôt la prudence, comme les dames ont le faire, sur la base des expériences. Parce que les escrocs redoublent aussi l'initiative. Autant on peut prévenir, autant ils peuvent le faire. Donc moi, je, euh, je recommande la prudence et la prévention. Maintenant, pour ce qui est des solutions, il faut dire qu'au Niger, jusqu'ici, la loi sur la cybercriminalité est dans les circuits d'adoption. Donc les textes sont rédigés, mais ils sont en processus d'élaboration. Tout ce qui réprime la cybercriminalité. Et c'est là où je lance un, appel aux, autorités pour hâter l'adoption de ces textes, parce que ce n'est pas là le e-commerce seulement, y compris sur la vie des gens, leur honorabilité et autres. Donc, il nous faut cette loi sur la cybercriminalité, mais au stade actuel, même si on n'a pas d'outils spécifique, je pense qu'il faut toujours référer des cas à la police, qui peut remonter parfois aux opérateurs de téléphonie. C'est vrai, les gens essayent de faire des faux enregistrements où ils vont faire enregistrer des puces. Sous d'autres noms, pas eux, mais je pense qu'en référant de tels cas au niveau de la police, un jour ou l'autre, on va mettre, on pourra mettre la main à ces personnes indélicates. Je pense qu'il faut dénoncer ces cas parce que, à force de recevoir des plaintes, je pense que les autorités policières et judiciaires vont s'intéresser mhm. à ces genre d'infractions et réprimer ces personnes-là. Parce qu'il y en a eu d'autres. Beaucoup d'escroqueries de, seront des techniques, mais par la suite, tôt ou tard, les gens ont pu mettre le grappin sur ces personnes indélicates. D'accord. Donc, euh, Madame Fatih, avant de clore ce forum, euh, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on améliore euh, dans le commerce en ligne, enfin, si on peut l'appeler comme ça, sur les réseaux sociaux Bon, à travers cette question, je pouvais dire que vous adressez surtout envers les acheteuses, parce que c'est à leur niveau que se trouve le problème. Nous, les vendeuses, nous n'avons pas de problème c'est que nous voudrions au moins que ceux-là qui viennent envers nous pour commander leurs articles, satisfaire leur plaisir, qu'ils respectent au moins leurs engagements. Parce que c'est un système de commerce qui est basé sur les commandes. Quand vous commandez un article, c'est vraiment un engagement que vous avez pris. Hein. Alors, si vous disparaissez, vous laissez la personne avec euh, cet article-là, c'est la pousser à chercher un autre acquéreur, ce qui n'est pas évident. Donc, la moindre des choses, soit vous retirez votre article à temps, tel que vous l'avez commandé, soit vous annulez votre commande à temps. Presque tous les articles que nous exposions, ce sont des articles à 80% qu'on peut trouver sur le marché local. Mhm. Donc, vente en ligne, c'est juste pour vous, pour vous réduire, les, tractations de, déplacement et autres. Hein, c'est une facilité qu'on vous offre. Si ça ne vous convient pas, tant mieux. Regagnez votre méthode archaïque au lieu de, de, faire souffrir, de pénaliser les gens et de leur faire stocker des articles qu'ils n'ont jamais voulu garder chez eux. Moi, c'est surtout ça. Et la sécurité aussi. Je demande aussi la vigilance au niveau des vendeuses. Donc, qu'elles prennent des dispositions par rapport aux arnaques euh, et autres malversations. voilà. Un mot de fin à vous. Comme ils l'ont dit, hein, aujourd'hui, euh, le commerce en ligne, ça profite un peu euh, à tout le monde. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, même ceux du grand marché, maintenant, ils ont tous des pages sur Facebook, ils ont tous euh, des pages sur WhatsApp et partout. Donc, euh, c'est plus facile de faire la publicité que euh, de rester sur place et puis souvent il n'y a pas de clients et tout. Au moins quand vous faites la publicité sur la toile, au moins les gens voient et puis ils savent que qui vous êtes et puis où vous êtes. Directement, ils passent pour chercher ces articles-là. Et encore, euh, ça permet de mettre plus facilement la main sur un article que vous ne pensez même pas qu'il existe, comme je l'ai dit. On a bien vu des groupes où la personne vient dire carrément, voilà ce que je cherche. Mhm. Et directement, quelqu'un lui dit quelque part, j'en ai pouvez passer à tel endroit, le récupérer. Donc c'est vraiment beaucoup plus facile. Maintenant, le seul problème, c'est vraiment la sécurité. Mhm. C'est vraiment trouver un moyen de sécuriser ce commerce-là parce que les arnaqueurs, au-delà de leur message qu'ils envoient dans, sur Messenger et autres, maintenant, ils ont compris que c'est un marché qui prend de l'ampleur et tout. Maintenant, ils sont en train de se lancer dessus. Maintenant, il y a, la semaine passée, il y a déjà un profil qui est en train de circuler qu'on dit de faire attention parce que ce gars-là, c'est un arnaqueur. Il envoie les images, vous choisissez, vous faites la commande. Une fois l'argent envoyé, il désactive son WhatsApp, il désactive le numéro, il change de numéro. Donc, vous voyez, quelque part, il y a des gens mal intentionnés qui profitent de vraiment ce commerce-là pour nuire aux bonnes personnes qui vraiment profitent de ce métier-là encore pour faire de leur vie euh, quelque chose. Donc c'est surtout ça, si vraiment il y a quelque chose à faire, c'est la prudence. La prudence et puis aux clientes aussi de vraiment honorer. Parce que oui, parce que souvent tu sais que tu commandes et ce qu'on t'amène, c'est pas la même chose. Mhm. Donc d'honorer leurs engagements, de vraiment créer ce lien-là parce que vraiment, grâce à ce commerce-là, c'est presque euh, un lien de parenté qu'on est en train de créer. Je ne sais pas à combien de baptêmes de clientes je suis partie. Je ne sais plus à combien de mariages de clientes je suis partie. Et là, c'est quelque part, c'est vraiment des relations sociales qu'on est en train de mhm. créer d'une autre part. Donc vraiment, que ce métier-là ou bien que cette pratique-là soit détruite euh, par certaines personnes. Je suis vraiment pas pour. Je veux vraiment que même si les commerçantes, les vendeuses vont créer, je ne sais pas, une association pour aller vers euh, les commissariats, voir euh, les inspecteurs, mettre quelque chose en place qui va vraiment leur permettre de sécuriser ce système-là. D'accord, donc euh, voilà, c'est ici que se referme le forum de ce soir consacré au commerce sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et WhatsApp. Nous étions avec euh, Seydou Arji, consultant en communication et gouvernance. Madame Fatih Ali, commerçante et administratrice de pages commerciales sur Facebook et WhatsApp, et Adama Zurkaleni, cliente et utilisatrice de pages Facebook et WhatsApp. Retrouvez le forum du studio Kalangu demain pour une autre thématique à 18h15 minutes. À suivre aussi à 17h15 le forum en Hausa le samedi et celui en Jarma le dimanche à la même heure. Merci d'être à notre compagnie. Au revoir.